outside. Bonsoir les amis jeunes, merci de nous recevoir. C'est vous, vous écoutez Studio Tamani, Studio Yafa et Studio Kalangu à travers les radios partenaires. Je suis avec Abibou Garba, le co-animateur. C'est comment mon cher Bonsoir euh, Wegalo, bonsoir amis jeunes de la FADA, du grain. C'est l'heure de votre émission hebdomadaire euh, Tous à la FADA, Tous au grain. Cette émission est une coproduction justement Wegalo de la Fondation Hirondelle, Studio Tamani, Studio Yafa et Studio Kalangu du Niger. Et nous sommes à Niamey, c'est vous Abibou. le thème que nous allons aborder avec nos amis jeunes Sahel face à la migration. Quelle piste de solution, mon cher Oui, on va voir aujourd'hui avec euh, nos amis jeunes pourquoi les jeunes ils s'intéressent euh, vraiment à l'exode, à la migration irrégulière et aussi avec nos chers euh, invités, les spécialistes à la matière, ils vont nous dire quelles solutions, comment faire pour en finir avec. Alors, pour pouvoir en discuter, nous sommes avec Mohamedou Hamissou, expert à la migration. Bonsoir, mon cher. Bonsoir. Abba Hassan Boubacar, membre de la société civile. Bonsoir. Bonsoir. Amoudou Zouré, ancien migrant. Bonsoir, c'est comment Bonsoir. Vous allez bien Très bien. Vous connaissez quelque chose quand même, n'est-ce pas, non beaucoup Surtout de, la migration. Beaucoup de choses. Vous avez vécu de l'expérience Beaucoup. C'était comment euh, C'était au début intéressant, mais après désagréable. <laughs> D'accord, monsieur Rabib, on continue. Ouais, eh, vous avez oublié monsieur Abdelkader Yakouba, qui est aussi sociologue de formation. Il va nous dire qu'est-ce qui peut booster les jeunes à s'intéresser à la migration, surtout irrégulière. Comme je vous annoncé dans le titre, c'est une présentation avec Oumar Weigalo et Abibou Garba notre ami depuis Niger. Alors avant de rentrer dans les vifs du sujet, je vous propose d'écouter le président de l'association malienne des explicés, c'est depuis Bamako. On l'écoute. Vu le changement climatique, vu la mauvaise gouvernance dans certains pays, les jeunes africains ne peuvent pas rester. Ils veulent partir pour chercher leur avenir ailleurs. Donc c'est ça qui a entraîné euh, cette migration clandestine. Ok, c'était Ousmane Diara, président de l'association malienne des expulsés à Bibou. Oui, amis auditeurs, euh, auditrices euh, des programmes de la Fondation Hirondelle au Sahel, euh, il faut savoir aussi, nous sommes avec un public, le public est là. Est-ce que vous êtes là Le public ah, est là, hein, hein. Il fourbatora. Euh, vous venez là euh, d'écouter euh, l'expert euh, Ousmane Diara, le président de l'association malienne des expulsés. Il vient de donner quelques raisons qui peuvent pousser les jeunes à s'intéresser à la migration irrégulière. Il a parlé de la pauvreté, changement climatique et tout ça là. Si la terre ne donne pas, Adamou, on va essayer ailleurs, n'est-ce pas Adamou Zoré, c'est un ex-migrant qui est avec nous de la FADA. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à vous intéresser à l'aventure il faut préciser aussi que vous êtes à Burkinabé, ici au Niger, donc euh, l'aventure continue. Merci beaucoup. <laughs> Merci, cher public. Au début, euh, ce qui m'a poussé à la migration, vous savez, quand vous êtes au village, euh, il y a plusieurs aspects qui vous poussent à la migration. Il y a un manque de sensibilisation. Et quand tu, au début, tu pars à l'école, il y a des amis qui viennent de l'extérieur qui vous poussent avec des mauvaises idées en disant que si tu as le CP et quand tu maigres un peu en, en allant vers euh, la Libye ou l'Algérie, tu as l'opportunité de gagner certaines vies meilleures que là où tu vis. Et encore, euh, dans certains pays aussi, je crois que le monsieur euh, Diarra a déjà parlé, il y a la mauvaise aussi gouvernance, il n'y a pas d'activité. les jeunes sont en saumange. et quand vous quittez au village, vous savez que c'est quelque chose qui vous pousse à quitter le village. Peut-être que mon ami a un vélo et puis je n'ai pas de vélo ou bien mon ami a un bœuf, j'ai pas de bœuf, ou j'ai envie de me marier, n'ai pas d'argent, et ma copine me pousse, donc tout ça, ça pousse aussi, et aller chercher ailleurs pour revenir. Avec certains amis aussi qui nous, dans le gré aussi, comme vous disiez, dans le fada, quand on s'assoit aussi, chacun donne les idées. Donc ça m'a poussé aussi de quitter le, pays et aller chercher voir comment ça va donner. D'accord, merci beaucoup. C'était un témoignage vivant à Bibou Garba. Nous allons partir avec notre expert. Euh, bonsoir. Alors, au-delà des raisons, des facteurs évoqués tout de suite par euh, notre ancien migrant, quels sont les autres facteurs, les autres raisons qui poussent les jeunes à aller vers la migration irrégulière Et je crois que c'est la meilleure occasion et opportunité pour nous de nous exprimer à l'effet d'apporter également un certain nombre d'éclairages par rapport à la thématique de, la migration. Donc, comme euh, vous venez de d'évoquer des causes, moi je dirais tantôt, vous savez, personne ne quitte euh, chez lui de façon volontaire. Il y a toujours une raison, il y a toujours une cause ou une motivation. Et notre ancien migrant qui a été à Libye, je crois il a évoqué un certain nombre de, motivations, un certain nombre de causes, principalement la cause euh, économique. Et je crois que dans nos pays, pratiquement de l'Afrique subsaharienne, c'est la principale cause qui pousse les jeunes à quitter leur pays c'est la cause économique. Parce que tout simplement, eh, nos pays sont constitués majoritairement par des jeunes. Et ces jeunes, c'est des jeunes qui ont besoin d'être pris en charge, qui ont besoin d'un emploi, qui ont besoin eh, d'être euh, nourris et qui ont besoin d'être euh, habillés. Mais principalement, notre migration, c'est une migration économique. Donc les jeunes quittent leur pays pour aller vers d'autres pays à la recherche de, de, quoi subvenir à leurs besoins, de quoi subvenir aux, aux besoins de leur famille qu'ils ont dû laisser. Nous allons faire un euh, ramasser en langue locale. Il y a des noms, maman, du borhin koka jing sala, mantikala, eh, bor sintana de gan sala, adamu zore o bonoka a chechi ko kalibi, inagare ye ka, ye bangam, ye ye ko, ni zamane musongo no kaninge gawene o. Har alhali raninge go, chefo endi borgo go ni chelera, bora gandu velo, bora ko adai hawaka, ni sindai kulu, ni moni gine ay bora ayog bonka, ay ko diyan kango tajine. na ne kaninge nge ga wani kulu mama da shi mo kan ti espero kan goni gumo hay kul kan ti mo gal nari masan ni ranga mo ayegi salan ko ne ngi mo ne kan noro cecho arzaka cecho dai no goni ga furta je dan miso da ne din ko gin ji sinister gudu tira an kan ni ko jiskulu ba kusal ni ni ko ji gidi yala no din no murado gite walmo murado aste no din voilà euh, amis de la fada Omaro et Galo on va pas finir avec les discussions on va continuer mais avant de poursuivre notre émission nous allons d'abord écouter la rubrique rosa proposée par la les filles studio Kalangu. On va voir de quoi elles vont nous parler aujourd'hui. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans l'espace santé et bien-être de cette rubrique rose, nous allons parler de crampes. Et pour cela, je vais vous donner 8 astuces pour vous en débarrasser. Dans l'espace euh, astuces beauté d'aujourd'hui, nous allons parler de la carotte. Voilà, maintenant commençons avec euh, cette histoire de crampes. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, on a 8 astuces. Très douloureuses, ces contractures imprévues sont rarement graves. Heureusement, il existe des moyens simples pour s'en débarrasser. Les crampes sont des contractions brutales d'un muscle ou d'un groupe de muscles. Elles peuvent engendrer une forte douleur pouvant durer plusieurs minutes. D'ailleurs, ce qu'il faut faire, c'est bien s'hydrater, s'étirer ou encore se masser. Ce sont des exemples d'astuces pouvant aider à s'en débarrasser. Astuce numéro 1, bien s'hydrater vasculaires, métaboliques, les crampes musculaires peuvent avoir des origines très variées. La fatigue ou encore la grossesse peuvent aussi les favoriser. Quelle que soit l'origine, l'essentiel est d'apporter beaucoup d'eau dans le sang pour éliminer l'acide lactique qui asphyxie les muscles qui se contractent. Pensez à boire au moins 1,5 litre d'eau par jour et hydratez-vous avant et pendant l'effort. Astuce numéro 2, s'étirer correctement. Étirer dans le sens contraire de la contraction. Si le pied est touché, passez une sangle sous la plante de pied et étirez les jambes vers le haut. Inspirez et expirez profondément pour vous oxygéner. Astuce numéro 3 se recharger en magnésium. Ce minéral détend les muscles. Les légumes secs, les amandes ou le chocolat en sont très riches. Mais si la crampe est forte, la supplémentation au long court peut aider. La bonne dose, c'est 200 grammes chaque jour pendant 6 mois. Amis jeunes et amateurs de la rubrique rose de l'émission Tous à la Fada, rebonjour. Dans l'espace euh, astuces beauté de ce jour, nous allons découvrir les bienfaits de la carotte et les astuces beauté à base de carottes. La carotte étant une source acceptable de vitamine B, comme la niacine et la vitamine B6 qui aident votre corps à métaboliser l'énergie des aliments. La vitamine B favorise la croissance et la bonne santé de la peau, des nerfs et des muscles. Grâce au bêta-carotène, la carotte est aussi un super allié face au soleil. Elle protège l'épiderme des radicaux libres, particulièrement ceux des UV, et active votre mélanine, responsable du bronzage protecteur de la peau. Mais c'est très intéressant. Mais dis-moi, comment avoir une très belle peau avec la carotte Très bonne question, Mira. Passez les épulchures au mixeur et filtrez afin de ne garder que la pulpe. Déposez votre pulpe dans un bol et ajoutez-y une cuillère à soupe de miel. Mélangez le tout jusqu'à obtenir une mixture parfaitement homogène Appliquez ensuite le mélange sur votre visage et tout votre corps et laissez reposer 10 minutes environ. Après rinçage, vous aurez une peau de bébé, une peau lisse et éclatante. C'est tout aujourd'hui, fidèles auditeurs et amateurs de la rubrique rose. Merci pour l'attention et à très bientôt dans une autre rubrique euh, pour vous apporter des astuces qui vont vous servir dans votre vie quotidienne. À très bientôt. Bye bye. C'est là la rubrique rose proposée par les filles du studio Kalangu. Merci à Migène, j'espère que vous avez aimé. Et voilà, justement, un seul Rambo, parmi ceux qui ont parlé, il y en a qui ont évoqué le cas euh, du mariage euh, au Avant euh, de donner la parole aux autres invités, je vais voir avec les dames, parce que qui dit mariage dit femme. Et parfois, c'est eux qui poussent nos jeunes garçons, c'est eux qui nous poussent à aller. Voilà, tu as vu le copain d'un tel, il a RAV4, le copain d'un tel, il a Benz, il le faut aussi. Et voilà. Abibou, vous avez raison, on va voir parmi les dames qui sera la première à parler. Oui. Bonjour madame. Bonjour. comment vous appelez Je suis Qu'est-ce que vous faites dans la vie je suis étudiante en deuxième année à l'université Abdoum de Niami. des lettres, département littérature, et communication. Littérature, et communication, Qu'est-ce qui fait pousser un jeune homme euh, ou bien euh, une jeune fille, parce que euh, c'est le cas aussi au Sahel, c'est fréquent, à vouloir quitter son pays pour aller ailleurs Et Comme ils ont parlé du mariage précisément, en effet, il y a certaines femmes qui poussent leur homme à aller chercher ailleurs. Par exemple, maintenant, tu vois, le mari de un tel a telle chose, sa maison est jolie, voilà, il y a la télé, il y a la voiture, il y a tous ces... Voilà, donc on a besoin des concerts et autres. Euh, au début, la femme va commencer à se fâcher, commencer à dire, tu vois, ton ami a telle chose, moi j'en ai pas, mon ami a voiture, véhicule, moi j'en ai pas. D'autres hommes euh, vont envisager d'aller chercher ailleurs et voilà. C'est ça le hic. Voilà, euh, parfois, euh, c'est comme je disais, euh, les gars, ils vont en exode pour faire plaisir à leurs copines, mais malheureusement, on va donner la fille en mariage avant le retour Alors, Abib, tout de suite, vous venez de dire que ce sont les dames, ce sont nos chers qui poussent les amisiennes à aller à l'aventure. Est-ce qu'elles sont d'accord C'est ça la question. Ah, Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation de Abibou En tout cas, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Adamou qui a dit ça. <laughs> Il n'y a pas de souci. Ah, c'est parler. <laughs> c'est pas qui va parler Donne, donne le micro. Ils vont parler. On est là pour ça. C'est la FADA. On est là pour ça. D'accord, allez-y. Présentez-vous. Et moi, c'est Kélessi Mahamadou Moukaltoum, étudiante à l'université Abdou Mouni et faculté des lettres, département de sociologie, deuxième année. Est-ce que c'est réellement vous qui poussez nos amis à aller à l'aventure <laughs> Bon, c'est oui et c'est non. Parce que aujourd'hui, si la personne décide d'aller, c'est pas obligatoirement parce que je lui ai dit que je veux ça qu'il doit partir pour chercher ça. S'il est avec une personne qui voit le matériel, c'est que mon ami a, il faut que je l'ai. Il peut trouver quelqu'un qui le voit à sa juste valeur au lieu de quitter le pays. Donc, le but, c'est d'échanger au lieu de quitter le pays. Donc, c'est pas forcément nous qui les envoyons là-bas, mais dans d'autres cas, c'est parce que eux aussi, ils le veulent. Euh, il t'arrive pas d'échanger, à aller aussi comme l'autre il veut ça. Il y a des filles qui partent, non Qui quittent le pays. Oui. Moi, j'ai toujours voulu rester au Niger. Même après le bac, on m'a dit, il y a des bourses de Tunisie, il y a des bourses. Je les ai dit que non. Moi, je préfère rester ici. D'accord. Applaudissez, s'il vous plaît. Pourquoi les Niger Voilà, pourquoi vous ne voulez pas partir Parce que ici, il y a ma famille, il y a les amis. Même si aujourd'hui je manque de quelque chose, je sais que si je me tourne vers Kadiga, j'aurai un 100 francs, un 500. Mais si je pars là-bas, je n'ai personne. Il faut la fin du mois pour que le papa m'envoie quelque chose. Et si lui, le papa, il n'a pas comment je veux faire, comment je vais me retrouver sans une famille, sans des amis, ça sera difficile. Donc je me suis dit que le mieux c'est de rester ici parce que je connais beaucoup de monde. Je et quand tu connais, quand tu as beaucoup de fréquentations, tu ne peux pas trop souffrir. Et, les opportunités d'emploi, il y en a ici au Niger ou bien Ici, <laughs> comme les jeunes le disent, ici c'est le pack, parents, amis et connaissances. Ah, donc donc tu as des connaissances. Ça veut dire qu'elle demande des connaissances, c'est pourquoi elle ne veut pas quitter. Par amis, connaissances, on va voir avec les garçons également. On écoute d'abord euh, Hassan Boukar, acteur de la société civile, euh, qui ont eu beaucoup de choses à faire euh, ici au Niger, parce que c'est Alternative Espace Citoyen. Ils font beaucoup de choses avec les migrants, avec les autorités, avec les structures qui accompagnent les migrants. Qu'est-ce qui ressort vraiment de tout ce qu'on vient de dire Merci beaucoup, Habibou. Je pense qu'il y a tout ce qui a été déjà dit sur les raisons de départ. Vous avez des raisons globales qu'on peut résumer en raison économique. Certains parlent de la pauvreté comme cause de départ. Vous avez les événements récents en Côte d'Ivoire avec euh, le conflit post-électoral. Beaucoup de jeunes Ivoiriens se sont retrouvés au Togo, en Algérie. Vous avez aussi des questions individuelles. Quelqu'un a évoqué la question du mariage. Vous avez parfois des jeunes qui veulent ressembler à d'autres. Le migrant, euh, mon frère du Burkina, parlait du cas de ceux qui ont un vélo, d'autres n'en ont pas. Quelqu'un. Vous avez aussi des gens qui ont un vélo parce qu'ils sont allés en migration. Euh, euh, les anglophones parlent de success stories, c'est-à-dire les succès des uns alimente l'ambition chez les autres. On les voit au Niger, par exemple dans la région des Anders, on parle beaucoup des femmes de Kanché. Les premières femmes qui sont allées en Algérie, elles ont gagné de l'argent, elles sont revenues, elles ont refait la toiture de leur maison. Elles ont acheté des charrettes, des bœufs. Certaines sont prêtes à aller au pèlerinage. Et donc, dans un village, ça ressemble à des signes de succès. Donc, ça incite d'autres femmes à partir. Donc, les raisons elles sont vraiment nombreuses. Vous avez à la fois des raisons individuelles, vous avez des raisons globales qui poussent les migrants à partir. Est-ce qu'on peut dire que c'est les mêmes raisons euh, partout en Afrique, dans les Sahel ou bien, euh, par exemple, au Mali Qu'est-ce qui peut pousser un jeune à aller euh, Disons que si on prend l'espace sahélien, une des choses qui caractérise la plupart de nos pays, on a des populations très jeunes. Si vous prenez le cas du Niger, nous sommes probablement le pays le plus jeune au monde, avec une moyenne d'âge d'environ 15 ans. Et donc, lorsque vous dites une population jeune, ça veut dire au moins pour les pouvoirs publics, une prise en charge du point de vue de l'alimentation de ces jeunes, il faut les éduquer, il faut les former, il faut leur donner l'emploi. Ce n'est pas très différent au Mali ou au Sénégal, parce qu'on voit sur la route, parmi ceux qui partent, on voit beaucoup de jeunes. Je peux dire qu'on peut retrouver les mêmes raisons au Niger, au Mali, au Burkina ou au Sénégal, mais il y a toujours les histoires individuelles. Euh, qu'est-ce que j'appelle l'histoire individuelle Pour vous raconter un cas, j'ai rencontré un jeune Camerounais qui est au Maroc et qui est parti. Il vit dans une famille polygame. La coépouse de sa maman a un enfant qui est en Espagne, donc qui prend en charge sa maman. Et donc, sa maman est frustrée de voir son enfant ne pas le faire. Et donc, lui, il est parti parce qu'il pense qu'il doit faire la même chose pour sa maman. C'est une raison individuelle. Voilà, amis jeunes de la FADA, nous sommes à Niamey, nous sommes à la place de la culture, nous sommes en train de parler de la migration irrégulière et Abdelander mais bien avant, écoutons un peu la musique de la Fada ou bien la musique d'Igraine. Aujourd'hui, on va écouter eh, le groupe eh, Dankowa qui nous chante ici Yamasikoi Ça veut dire qu'il n'y va pas, n'y va pas là-bas, pas le baba. un Africain remettant la pendule à l'heure. Il est temps de prendre conscience, de tourner d'eau, aux illusions qui sont la tour de nos souffrances. Eldorado espagnol pour nous, les portes d'adultes se Combien de nos frères sont revenus les poches trouées Combien de nos frères de l'océan ils ont péri Combien de nos frères ont été humiliés aux îles Canaries fermer derrière les barreaux, ils sont jamais revenus. N'y va pas, là-bas c'est pas le bienvenu. Ouvrons les yeux, tournons-nous vers ce bonheur que Dieu nous a donné des terres fertiles et bien garnies. Les activités génératrices de revenus, là புல்லு போன என் மாதிரி பொய்கையேதோ C'est là la musique de l'émission Tous à la Fada, Tous au Grain, du studio Kalangou, studio Tamani, studio Yafa de la Fondation Hirondelle. Oui, j'espère qu'on va aller voir dans le public euh, une réaction parce que vraiment on a eu d'ample d'explications sur ça. Mais on va voir Irgdi Matkano, connecté public au Ramatkano. Euh, Yafa, engagé. Il est aussi de la région d'Agadez. Il a côtoyé beaucoup de migrants engagés. Pour m'exprimer la DC, en tout cas, nous avons tous connaissance qu'actuellement, euh, estimativement, on peut en avoir plus de 7000 migrants au niveau de Asamaka. Je pense qu'il y a des conséquences non seulement dramatiques sur les différentes communautés, mais aussi sur euh, l'ensemble de, ces migrants-là qui sont au niveau de ces sites euh, très d'ailleurs restreints. Et je pense que la gestion du migrant, moi, à ce qui m'inquiète ici, c'est de poser la question aux différents palénistes, si on peut le dire. Est-ce qu'au niveau de la gestion de la migration, on constate que vraiment il y a toute une euh, euh, en tout cas, il n'y a pas une gestion digne de son nom. Parce que quand vous constatez au niveau des rapatriements, on répatrie seulement 150, euh, c'est tellement minime. Et il n'y a pas une volonté vraiment de rapatrier l'ensemble de ces migrants-là. Alors qu'il y a des conséquences très dramatiques. Les gens ils sont en péril. Non seulement c'est les autochtones, mais aussi les migrants en quelque sorte. Vous voulez savoir comment se fait la gestion euh, des migrants. Ok, euh, d'accord. Euh, voilà, ok. bonjour, comment vous appelez Je m'appelle Agali Suleiman Mohamed, étudiant régulièrement inscrit à la troisième année à la faculté des sciences juridiques et politiques, département carrière judiciaire. Ni gini gite hausa ni zaramsa ni fulanci ni bambarki ni wakan da gwani sekulu. Tambaya ce gare ni ina da wansu eh, wata haske da nake so a ni biskan harka ga ta migration. Ita ce ina so in sani. kamar matashi wanda yake fitowa matashi dan uwana haka wanda ya fito daga Cote d'Ivoire ko daga Guinea ko daga Cameroon yana so ya tafi Europe an san da matashin nan financièrement il est bien équipé kamar a zancen kuɗi an san da gaskiya ile yan e, biyan pose to ni abin da so pourquoi il doit payer comment illégalement pour être acheminé il dit lui il comprend pas il y a des jeunes qui sont vraiment aisés ils ont tellement d'argent mais ils veulent aller en Libye mais il faut qu'ils dépensent beaucoup beaucoup d'argent et pourquoi et pourquoi aussi ils préfèrent de prendre euh, la voie irrégulière que de faire ça euh, de façon normale euh, c'est des questions pour vous, c'est justement aussi des questions au Regalo qui vont nous permettre euh, d'aller euh, voir les politiques proposées par les États. Hassan Boukar. merci. je commence par la deuxième question. la question c'est pourquoi les gens qui ont déjà des ressources, ils se font transporter de façon illégale pour aller ailleurs. Alors, la notion d'illégal est une notion vraiment polémique. moi, je parle aussi en tant que militant, défenseur des droits des migrants. Je considère qu'il y a un jeune Ivoirien qui quitte la Côte d'Ivoire et qui passe par le Niger. Il lui faut des ressources, c'est sûr. Mais ce que vous posez, c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup de discussions. Euh, en prenant la parole pour la première fois, je parlais de la pauvreté comme une des causes qui pousse les jeunes à partir. Mais on se rend compte que sur leur parcours, les migrants dépensent beaucoup d'argent. Euh, pour le transport, lorsque vous faites escale au Burkina ou au Niger, vous êtes parfois dans un ghetto vous êtes pris en charge par un passeur. Ou l'argent que vous donnez pour traverser le désert ou alors pour traverser la Méditerranée. Ça fait beaucoup d'argent. Et du coup, on interroge finalement la question de la pauvreté comme cause de départ. Lorsqu'on évalue l'argent qui est en cause, c'est beaucoup d'argent. Par exemple, c'est beaucoup plus cher que les frais d'un visa et d'un billet d'avion. Alors la question logique c'est, mais alors pourquoi les gens ne prennent pas l'avion Sauf que le visa n'est pas accessible. Vous n'avez pas accès au visa. Rappelez-vous, là, dans la ville de Niamey, il y a des années où on retrouvait des jeunes qui font le rang devant les ambassades occidentales pour obtenir un visa, pour aller aux États-Unis, obtenir le visa Schengen. Est-ce que vous le voyez aujourd'hui On le voit presque, parce que le visa n'est pas accessible pour ces personnes. Évidemment, avec beaucoup de risques, et ils prennent le chemin pour partir. Euh, les mamans vendent les bijoux, on peut hypothéquer un champ, euh, une maison familiale, on réunit des moyens parce que la famille investit en vous. Mais on peut toujours leur dire, mais ce que vous avez, ça fait déjà un capital, vous pouvez l'essayer. Mais ça, c'est des questions individuelles où chacun se dit, oui, j'ai un peu de moyens, mais je veux avoir plus. Mais vous avez aussi des situations particulières où vous avez de l'argent seulement quand vous prenez la route. Donc je vais laisser sur les... avant, de, donner la parole à Mamadou, euh, concernant le visa, qu'est-ce qui pose problème pour l'acquisition des visas pour les jeunes Je pense que euh, vous connaissez bien la politique européenne aujourd'hui. La plupart des pays d'accueil restreignent l'arrivée des migrants sur leur territoire. Et le visa est un des outils sur lesquels ils agissent on met énormément de conditionnalités sur le visa de façon à ce que si vous n'avez pas le visa, vous ne pouvez pas aller. Et donc, si on ne veut pas voir les migrants arriver en nombre, et donc on, empêche le document de vous Si vous n'avez pas de visa, vous ne venez pas. Et on trouve toute une liste de mots illégal, irrégulier, clandestin, etc. En fait, pour justifier la répression dont sont victimes les migrants. Donc, le visa, il n'est pas accessible à tout le monde. Je pense que lui, il a suffisamment parlé. On va, <laughs> on va avec euh, notre sœur Mohamedou Assimou. Alors pourquoi ces jeunes veulent toujours tenter leur chance ailleurs Ils ne veulent pas tenter ça euh, ici, au Sahel. C'est pour dire que tout simplement, c'est parce que nous avons des jeunes qui ne croient pas à leur environnement. C'est-à-dire, les jeunes ne croient pas à leur pays. je vais vous inviter également tout le public à, visionner un film qui est accessible sur, sur le net, Les clandestins. Donc c'est un film qui, qui a été inspiré d'une réalité qui, avait vécu six migrants africains qui ont été assassinés dans un navire par des Ukrainiens et un Français. Je crois que c'est dans les années 90. Et les Africains ne croient pas à l'environnement et ils ont quelque part raison parce que nous avons des politiques publiques qui ne promettent pas la réalité, donc qui n'encouragent pas l'investissement ou même quand les jeunes investissent, il y a toujours... Euh, des situations de blocus. Vraiment, tu as fait de ton mieux, c'est bien. Bravo, <laughs> applaudissez pour lui. <laughs> Voilà, euh, on va euh, continuer notre émission. on va écouter euh, aussi Kader parce que maintenant nous sommes à la recherche des solutions. Monsieur Kader, on signale qu'il est sociologue de formation, on l'appelle même Kader Socio. Voilà, <laughs> Kader Socio, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire On a écouté les dangers, on a écouté comment ça se passe, on a écouté pourquoi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire voilà, merci. Ce que j'aimerais d'abord dire avant d'aller à la recherche des solutions, c'est que eh, la migration, elle est naturelle. Naturellement, l'homme est appelé à partir. Naturellement, parce que j'aime dis, et vous allez comprendre avec moi que la terre n'a pas été peuplée comme ça par hasard. Le peuplement a commencé quelque part et les gens ont migré pour peupler toute la terre. Donc c'est naturel, les gens vont partir. En plus du fait que ça soit naturel, toutes les causes qu'ils ont évoquées poussent les jeunes à partir. Maintenant, puisque forcément les gens vont partir, c'est justement les solutions qu'il faut chercher. Et moi, je me dis qu'il ne faut pas forcément vouloir interdire à ce que les gens quittent. Quitter en soi n'est pas un problème, mais il faut essayer de créer les conditions pour que ces jeunes qui seront tentés par l'aventure puissent avoir des meilleures conditions de départ. Qu'est-ce que j'appelle meilleures conditions de départ Il faut d'abord lutter les associations qui militent pour les droits des migrants doivent d'abord militer et lutter pour que les visas soient accessibles. Il faut que les visas soient accessibles à ceux qui en ont les moyens. Pour ceux qui n'en ont pas les moyens, qui veulent quand même partir, Agadez, euh, notre camarade a parlé de Asamaka, on retient les migrants, mais moi je me demande, est-ce qu'on propose des politiques à ces migrants-là Est-ce qu'on leur propose des activités génératrices de revenus qui peuvent les retenir Parce que vous ne pouvez pas me dire que, écoute, dans ton pays, tu n'as pas le droit de et encore on ne te donne rien. Mais ce n'est pas possible. Nos gouvernants doivent tout faire pour créer le bien-être chez nous. Tant que nous n'avons pas le bien-être chez nous, nous serons toujours tentés de partir. En dehors de ces politiques-là, quelles que soient les mesures que les gens vont prendre, aussi draconiennes que soient les mesures, nous allons quitter, les jeunes vont tenter de partir. Parce que comme tu l'as dit, mieux vaut mourir en mer que de mourir devant la mer, dans la pauvreté, parce que souvent, la pauvreté pousse même les gens à tôter la dignité d'humain. Ah, c'est pas moi. Hein, Et là, forcément, les, les, les, Merci beaucoup, Kader. Merci à Migien de la FADA pour rappel euh, au Niger en 2015, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée qui criminalise la migration et toutes euh, les activités qui se rapportent à la migration. La loi est intitulée la loi 036, une loi qui a été également euh, appliquée ou bien le décret d'application a été pris en 2016, une année après le vote. Digue Machinga, Digue Machinga, est-ce qu'il y a un Vous êtes là? Ah, ça, c'est la Fada que je connais. Fada, ça, Fada Goye. Fada Goye. On n'entend rien. Hein, On n'entend rien. Ah. On n'entend rien. Vous êtes là. La Fada. C'est comment Ah Ah Ah Ah oh. Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah DJ, on y va. Voilà, DJ Machinga. DJ Machinga, on y va. DJ Machinga, on a écouté les problèmes. On a vu les dangers. On a vu pourquoi les jeunes s'intéressent à la migration irrégulière. DJ Machinga, on a, écouté quelques solutions. C'est toi qui dis au micro d'Ibrahim. Aujourd'hui, tu es au micro de la Fondation Hirondelle. DJ Machinga, quelle réaction d'abord au tout ce C'est un animateur de la place, il taquine beaucoup les gens. Et aujourd'hui, il est, il, est, il, est, <laughs> là. c'est pas facile d'être face au micro. Hein. Ah bon <laughs> Voilà. Ah <laughs> ah. Euh, la question de la migration, je pense que c'est, c'est, une question qui touche beaucoup le Sahel, dont beaucoup, beaucoup de jeunes Nigériens. Euh, moi, personnellement, je connais des amis qui sont bien aisés, qui aspirent partir. Voilà. Donc, actuellement, d'autres sont prêts réellement à partir, quelles que soient les conditions. Moi, j'ai toujours dit. Pourquoi, ils veulent aller Parce qu'ils pensent que Nongo, Donc, ailleurs, c'est réellement le luxe. Ailleurs, quand tu partes, ça veut dire que tu peux bien gagner ta vie et être millionnaire facilement. Ah, or que, à chaque fois, dans les télévisions, à travers les informations, on nous montre euh, la réalité. Ceux, qui partent par la, par la mer, par le désert, ils périlent au fait beaucoup perdent, le, euh, leur vie en, chemin. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, vous vendez une maison, allez vivre et je sais pas ailleurs ou bien aller vivre euh, au bord de la route tu vois une maison chez toi mais tu vas aller je sais pas vivre dans la rue est-ce normal est-ce que ça ça peut pousser réellement les jeunes à partir j'ai toujours dit aux jeunes à travers les focus group le Niger est toujours un terrain vierge au Niger, tu peux réellement commencer un business avec 25 000 francs. Quitte à toi de savoir comment, dans quoi investir, comment gérer. Je ne peux pas commencer euh, mon petit commerce et voilà. Maintenant, il faut, Inch'Allah, bah, c'est pour aller voir les graticiels, voir leur vie et revenir. Voilà, c'est un peu ça. Inch'Allah. <laughs> Euh, dans le micro à Sarki. J'ai vu depuis, depuis là, il veut parler. Sarki veut dire quelque chose. Bon, Sarki, voilà. allez le micro. C'est une question. Merci beaucoup. Euh, moi, c'est le, euh, c'est Maman Adam Mustafa. Je suis connu sous les sobriquets Maître Sarki. Je suis également le délégué général adjoint de la faculté des sciences juridiques et politiques. Je suis inscrit en troisième année de droit, option droit public. j'aimerais m'adresser surtout à notre aîné qui lui a vécu l'expérience de partager avec nous, surtout avec ceux qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas eu la chance d'être présents, mais qui auront la chance de, suivre euh, notre entretien, de partager l'expérience qu'il a vécue euh, sur la route. Ça, veut, ça va euh, servir d'exemple à beaucoup qui aspirent partir dans des conditions vraiment vulnérables. Et la deuxième question, j'aimerais l'adresser à notre camarade, notre ancien cadre Mamadou, qui, euh, j'aimerais lui poser la question, selon lui, c'est quoi la responsabilité de l'État et comment il pense que l'État va créer les conditions vraiment parce que c'est une question qui engage aussi, il y a la responsabilité de l'État par rapport à ce fait. Donc c'est quoi la responsabilité de l'État Et si on peut parler de l'État, qu'est-ce que vous, vous pensez de votre point de vue euh, qui la solution euh, en rapport avec l'État que l'État doit proposer pour vraiment euh, garantir une vie euh, paisible, euh, surtout en rapport avec l'insécurité, la question, vous avez évoqué la question économique. Donc vraiment, la solution que l'État peut proposer, que vous, vous pouvez proposer à l'État, si on peut le dire ainsi. Donc sur ce, je vous remercie vraiment. Merci bien à Studio Kalangu et les autres studios qui nous ont invités, vraiment. On accueille maintenant la chronique de l'émission Tous à la Fada et on se dit au revoir de façon euh, officielle, de façon définitive. Cher ami jeunes de la FADA, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du courage qui est la clé de l'audace et de la résilience. Dans notre société moderne où la peur et l'incertitude sont souvent présentes, le courage est une qualité rare et précieuse. Il est le moteur qui pousse les individus à aller au-delà de leurs limites, à affronter leurs peurs et à surmonter les obstacles. Le courage est un trait distinctif des zéro des visionnaires et des personnes qui osent défier les conventions pour créer un changement positif dans le monde. Le courage ne se résume pas à l'absence de peur, mais plutôt à la volonté de faire face à cette peur malgré les conséquences potentielles. Il s'agit d'un acte de bravoure qui nécessite une grande force intérieure et une conviction profonde en ses valeurs et à ses idéaux. Eh bien, chers euh, amis jeunes, c'est avec ces exemples qu'on va se dire au revoir. On se se retrouve demain pour la suite. C'était là la chronique euh, Irma Matkano, Gonaker Bournier, Ankano, Ifamandirse, Irma Moboreka, Kamo Kokaro, Himakaite, de Hankaya Borese, Ineka A, Harino Kang, Dirkoba, de Hineka, Inga, Hingoto, Abongadi, Yadir Mono, Ira, Fokan, and Bagisi Moganarmante, and a bon understanding Kuldum Sin Kingamandi, Amount Kuning Safila, Ahimtemo Digdondo, Iranga Kulse.